alors euh, déjà magnu, magnu, nuyu euh, maa ngi nuyu ñëpp di leen euh, di présenté wu Simon communicante ok communicante manager d'artiste et di évoluer dans dans le sphère musicale. alors di déjà féliciter l'initiateur mi ngi nekk ci quatrième édition de Festivillage. Et euh, voilà, donc euh, c'est pas la première fois à nous assister au festival. mais euh, aujourd'hui la particularité c'est d'avoir eu le girafe. De, le voir aujourd'hui, c'était c'était extraordinaire. Mais en tout cas, pour dire qu'on a fait une belle cérémonie d'ouverture et qui est à l'image du directeur de, ce festival, mais également de l'association qui organise ce festival. Alors, c'est quelque chose. Moi, par exemple, j'habite Wakam depuis depuis deux ans maintenant au départ, je me suis village, de mon un village là. Tu vois, donc, je me déménagé, j'ai vu tout autre. Les lignes de c'est différent. Après, euh, vouloir garder cette, cette identité de village, c'est très bien. Après, nous avons créé un thème enfin fait, base ci thème bi nga xamante sport et violence là. T'es souvent bu ñu daan wax wakaam nit ñi dañ leen di caricaturer violence donc tey bu ñu amee chance ou am édifice bii c'est vrai que Dakar le New wax mais ci Dakar bir la donc il faut en profiter et souvent quand on parle de sport culture mini d'ailleurs l'Olo indi ASC association sportive et culturelle donc Taïdini, nous avons un thème sport et violence war ko à la culture je pense que c'est un bon thème et que dina répondre bien sûr à tout ce qui va avec Wakam. merci beaucoup et félicitations à vous bon courage pour Ligue et Bingen et def rafet et encore bienvenue à Wakam.